ñay indil yeneen i façon jikko président bi agsi qui est le grand chancelier moo Karandini, xaarandi nii linga takkal ko li nga xamante ne mooy ni sol na costume président de la République du Sénégal mëgook je voudrais respectueusement inviter moi, le général de corps d'armée grand chancelier de l'ordre national de Lyon à venir remettre à Monsieur le Président de la République le collier du grand maître de l'Ordre national du Lyon. Voilà, le général Meissagnon, grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République, gardien de la Constitution,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 Bassirou Diomaye Tchahar Faye, président de la République du Sénégal, de prendre la parole pour son discours d'investiture. Les ovations de la salle